Après l'échec des négociations et une grève d'avertissement de 48 heures vendredi et samedi dernier, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX section de Zender passe à la vitesse supérieure avec un autre mot d'ordre de grève, cette fois-ci pour 72 heures. C'est là pour exiger un certain nombre de droits statutaires selon le secrétaire général du SNEX Zender, Dr Mamadou Ilou. Le recteur a décidé que l'université de Zender ne connaîtra jamais de sérénité et c'est dans ce sens qu'il a créé les conditions pour que cette grève démarre dès la semaine passée, se poursuit cette semaine. Et s'il n'y a pas de satisfaction, Inch'Allah, la grève va se poursuivre la semaine prochaine. On ne le souhaite pas, bien sûr. En deux ans d'exercice, s'il faut faire un bilan, certains étudiants ont connu une année blanche, d'autres ont connu un semestre d'arriéré. Sur les huit points inscrits sur la plateforme revendicative des enseignants-chercheurs, le recteur a promis lors des négociations d'éponger les plus urgentes. Mohamed Bazanfari, recteur de l'université de Zander. Ces primes de recherche devraient être payées avant même la fin des vacances. Si ce n'est que dans les états qu'on avait envoyés au niveau du trésor, il y avait des retenues au nom du Sinex. Mais il se trouvait qu'on n'avait pas précisé dans quel compte. J'ai dit d'un moment à l'autre. Nous attendons le paiement de ces primes de recherche. Concernant le paiement des, primes de recherche, troisième trimestre. Nous sommes au troisième trimestre. En septembre, nous avons pris l'engagement de payer ces primes après ou pendant les salaires. Parce que la priorité pour nous, c'est les salaires d'abord. Concernant les copies corrigées, eux-mêmes, ils ont constaté, au moment où on était en réunion, certains même parmi eux qui étaient responsables n'avaient pas envoyé les états de recours. copies. Ils nous ont fait croire que ça tournait autour de 5-6 millions. J'ai dit si c'est 5-6 millions, c'est soutenable, nous pouvons payer. Mais c'est le SG lui-même du SINEX qui a proposé de revenir le lendemain pour avoir la situation précise. Et le lendemain, quand on est revenu, arrêtez d'un montant de je leur ai dit, on n'a pas les moyens de payer ces 16 millions. Du côté des étudiants, l'on appelle surtout à l'apaisement entre les deux parties. Jibir Zangina Abdullah, secrétaire aux affaires académiques du comité exécutif de l'UNUS. Nous lançons un vibrant appel au SENEX et au rectorat de trouver un terrain d'entente parce que cette série de grèves ne grandit pas à l'institution. Depuis 2015, notre université ne fait que connaître des histoires sombres à travers toujours des grèves. Depuis 2015, l'université de Zender est dans un cycle de grèves perlées Mustafa Mustapha Mamansani pour Studio Kalangu.